C'est un concept, donc euh, euh, ces escrocs, on les connaît de la place, ils sont ici. C'est ceux qui veulent s'accaparer de la victoire, donc de la jeunesse bourgeoise, des femmes, des sages, de tous les choses sociales. Nous n'en voulons pas l'accepter. C'est des gens qui n'ont pas mouillé le maillon, qui n'ont jamais été sur le terrain. À trois qui vont supporter et soutenir le président Koudoumi. Et après trois jours, comment on peut donc convaincre les populations En trois jours, c'est impossible. Donc nous, avec les gens avec qui nous avons travaillé, nous avons sionné Vous nous avez identifiés Oui, mais je ne veux pas citer, c'est un peu enfantin de citer les noms. C'est des farceurs. de Guinness. Partout où on est passé, dans notre localité, on a vu les jeunes écrire non sur le mur. Partout à Et ils ont voté, ils nous ont sanctionné à cause de cette déclaration malencontreuse. du préjudice. Les réfugiés sont conscients des 15 points, de l'importance des 15 points initiés par le président C'est un peuple responsable. Historiquement, culturellement, sur tous les plans, on n'a pas besoin de quelqu'un qui s'est présenté à trois jours des élections pour dire qu'il supporte le président. C'est ce qui supporte le président, le président sérieusement était là depuis le début jusqu'à la fin. waaw dama ne ñii biir fay man maa wax ne damay créer concept yi wax escroquerie politique mooy sàcc politique dafa am sàcc comme ni ngay demee si kër di sàcc politique noonu la amee ñoo xam ne dañuy subtiliser dañuy sàcc mooy fekk ay jigéen yu nekk ay jàmbaar ay góor yu liggéey nekk si terrain bi depuis des semaines wante campagne huit jours ñoom ñu ñëw jeudi taxaw ñu ñëw ne ñoom ñoo tax ñu gañe loolu li jéego wax loolu escroquerie la te ñun duñ ko nangu maa ngi dégg sa kente déclaration ne dañ ko oo mu ne moom mu ngi si réunion man maa ko oo man téléphone maa Omar Gueye ñoo ànd man du ma wax dëgg du ma si politique man du ma yii man maa ko oo téléphone boobu ñu ngi euh, di def caravane dem bi ñu def jeudi caravane élection yi nekk dimanche ma oo ko ma ne ko dafa bëgg ñëw félicité la dafa bëgg jaar fi ngeen parce que dafa kontaan si déclaration mu ne ma maa ngi sama kër bi añ nekkul seen doon lekk ceeb ko muy ak nan lay nan lay gañaloo Macky Sall ñun bu ñu nelaw guddi ak bëccëg ñu ngi si terrain bi liggéey dama demee buy wut dama fekk ñu bind si mbir yi non dégage monsieur le maire lañ si bind